Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, la décentralisation est en cours dans notre pays depuis 1872, quand euh, les communes de Gorée et de Saint-Louis étaient créées. Et depuis lors, beaucoup de pas ont été accomplis dans le sens d'un approfondissement de la, décentralisation, d'un renforcement de la décentralisation. Et tous les régimes qui se sont succédés à la tête du pays, chacun a posé des axes forts pour permettre aux collectivités territoriales pour permettre aux maires qui administrent librement leur collectivité territoriale de se mettre au service de leurs concitoyens. Bien entendu, l'acte 3 de la décentralisation a été un des actes majeurs. En effet, cet acte a permis la communalisation intégrale, la création de départements, mais bien entendu, la vision du chef de l'État, le président Macky Sall, a a introduit un élément fondamental, c'est l'équité territoriale, c'est la solidarité aussi entre territoires, c'est la solidarité entre collectivités territoriales. Bien entendu, il faut évaluer l'acte de la décentralisation, consolider les acquis et corriger les imperfections notées ça et là. Et le gouvernement est dans ce processus d'évaluation de l'acte de la décentralisation et cette évaluation a déjà permis L'annonce faite par le chef de l'État lors de la dernière journée de la décentralisation, à savoir la mise en route du Pakistan rural à côté du Pakistan urbain, mais aussi la fonction publique locale qui est en train de devenir une réalité et parfaitement gérée au niveau du Centre euh, national de la fonction publique locale et de la formation. Je sais, Monsieur le Président, que le débat est organisé et que le gouvernement aussi a un temps de parole. Monsieur le ministre m'a dit tout à l'heure que vous prendre 20 minutes, lui il prendra 10 minutes. Donc en 20 minutes, il va être difficile de citer l'ensemble des honorables députés qui ont pris la parole et de répondre de façon spécifique à toutes leurs, euh, à toutes leurs interpellations. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, vous me permettrez de résumer les préoccupations formulées par les honorables députés pour y apporter des réponses générales et bien entendu mon cabinet et l'ensemble des services de mon département seraient disponibles dans le cadre d'autres rencontres d'autres séances de travail et même d'autres occasions à revenir de façon spécifique sur un certain nombre de, problèmes. Permettez-moi d'abord, Monsieur le Président, de clarifier qu'il y a des structures qui sont souvent citées ou des domaines qui sont souvent euh, évoqués par les honorables députés et qui ne relèvent pas des compétences directes du ministre des collectivités territoriales, de l'aménagement et du développement des territoires que je suis. Bien entendu, au nom de la solidarité gouvernementale, je me ferai le devoir d'être votre porte-parole, votre interprète auprès de certains collègues euh, qui sont comme moi dans le gouvernement. Préciser que les inondations sont gérées par le ministère de l'eau et de l'assainissement. Le découpage administratif est une prérogative du ministère de l'Intérieur. L'AGTIP est une structure importante, transversale, avec laquelle nous travaillons beaucoup, mais bien entendu, nous n'assurons pas la tutelle de cette importante structure. Le PROCASEF, Monsieur le ministre, il reviendra euh, tout à l'heure, Monsieur le ministre des, des Finances, j'ai parlé tout à l'heure des inondations. Projet 2 aussi relève du ministère de l'eau et de l'assainissement, même si l'ADEME, qui est une structure qui dépend de mon département, en assure la, maîtrise d'ouvrage délégués. Ces précisions étant faites, Monsieur le Président, je voudrais rentrer dans le vif du sujet en évoquant la grève des travailleurs des collectivités territoriales. Effectivement, comme vous l'avez noté, c'est une grève qui a duré, qui a perduré, qui a fait euh, plus d'une année. Et depuis lors, l'intersyndicale des travailleurs des collectivités locales est en mouvement. Cela, bien entendu, a eu des conséquences sur un certain nombre de documents dont euh, nos compatriotes euh, ont toujours euh, et cela aussi a eu des impacts négatifs sur le fonctionnement de certains établissements de, santé. Mais je dois vous dire qu'on est en discussion, on est en négociation avec l'intersyndicale et vous, vous le savez, depuis maintenant deux semaines, la grève a été suspendue. Depuis deux semaines, il n'y a plus de mouvement d'humeur au niveau de l'intersyndicale des travailleurs de la collectivité, l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales, à la suite d'une rencontre avec M. le Premier ministre. Un comité ad une commission ad hoc a été créée qui comprend le ministère des collectivités territoriales, le ministère des Finances et l'AMS, l'ADS et d'autres structures, et aussi l'intersyndicale. Et les discussions sont en cours et je crois qu'on peut espérer une sortie de crise définitive dans les prochains jours. Mais rappelez que c'est vrai que l'article 29 est assez clair. Toute augmentation de salaire pour la fonction publique de l'État doit être répercutée pour les fonctionnaires des collectivités territoriales. Mais l'article 30 suivant aussi précise que ça devait être à la charge des collectivités territoriales ou des services utilisateurs. Des honorables députés ont rappelé ces dispositions-là. Comme l'Union avons a rek responsabilité amna collectivité territoriale yu nga xamné japp nañ né am nañu doolé pour mëna fay mais li doon problème bi mooy ban base juridique ban base légale lañ mëna a sukkandiku ba mën fay travailleur collectivité territoriale yi loolu ci lañuy liggéey fan yi ci commission boobu ma leen wax léegi pour seet nu ñuy lijjantee loolu mais aussi commune yi nga xam ne jàpp nañ ne mën nañu fay bi ko monsieur le ministre des finances waxon na ko mat nañu ñaari témèr ak ñaar fuk ak juróom-ñett ñi nga amuñu pour jël en charge augmentation salaire bien entendu état dina dans le cadre des mécanismes qui existent nous mu nous accompagner mais rappelons tout simplement que lu mat 15 000 personnes tourne autour des collectivités territoriales. Et tout, tout, toutes ces personnes lu bari bari bari di fa nekk ci ñu nga xamné ne walaabal nañu amna ci ñu nga xamné ne walaabaluñu am ci yëpp ñu nga xamné ñu ci digënté bi xamaguñ ba xam nañu wala xamuñu xamaguñ ba xam nañu ñi walaabal biñu leen xaymaa mat nañu quatre mille vingt et une saytu nañ leen seet nañ leen gis nañu ne ñii walaabal nañ ñi nga